forum studio Le forum du studio Calam. forum studio forum studio forum studio forum studio forum studio forum studio Monsieur, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Nia Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, en 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozerine, Magaria, Menisoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Un pays a besoin pour se faire connaître et faire connaître ses talents du sport cette visibilité ne sera possible que grâce à sa participation aux grandes compétitions sportives nationales et internationales. Le sport crée les richesses et les célébrités, à l'image aujourd'hui d'Alfaga Abdurazak Issoufou, champion du monde de taekwondo. Ce jeune Nigérien a permis de faire parler du Niger partout dans le monde. C'est le Niger qui a donc gagné. Mais pour arriver à une telle consécration, il y a bel et bien un prix à payer c'est le travail, par l'effort conjugué de tous. Pour ce faire, la responsabilité incombe aux fédérations sportives, toutes disciplines confondues, aux autorités en charge du sport et au comité olympique sportif du Niger COSNI. Force est malheureusement de constater que les fédérations sportives au Niger font face à d'énormes difficultés pour faire vivre les disciplines respectives. Pourquoi cette léthargie constatée au sein des différentes fédérations sportives N'y a-t-il pas suffisamment de potentialité pour développer le sport à la base Quelles sont les difficultés liées au financement du sport que les fédérations rencontrent tout sur la vie des fédérations sportives, c'est dans ce forum du studio Kalangou. Nous parlerons aussi de la réélection de Pelé à la tête de la FENIFOOT ce dimanche dernier à Maradi. Nos invités pour débattre de ce sujet, dans un premier temps, nous avons M. Samuel Amadou, président de la Fédération nigérienne de tir à l'arc. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous attendons également des moments à l'autre la représentante du ministère des Sports, Madame Ibrahim Hadiza, qui sera incessamment là, mais également aussi un des membres donc, euh, du bureau de la Fédération nigérienne du taekwondo et également Salif Amadou, président de la Fédération nigérienne d'athlétisme. Monsieur Samaïla Amadou, avant l'arrivée des autres invités, on va rentrer dans ce forum. Ce dimanche 16 juillet 2017, Maradi a abrité l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de football. Ces assises ont consacré la réélection du colonel Lahima Hamidou Pélé pour un troisième mandat avec 111 voix pour, 26 contre. Cette élection s'est déroulée sans incident. Quels commentaires vous pouvez faire par rapport à cette euh, réélection du colonel Pélé Bon, merci beaucoup. Euh, pour commencer, une petite euh, rectification. C'est 101 voix contre 26. Ah oui. Alors, dans ce cas, c'est le, travail qui a payé. Effectivement, il y a eu les dépôts de candidatures, comme euh, vous êtes au courant peut-être de la procédure. Ah il y a eu des candidatures qui ont été éliminées par la commission électorale qui a été mise en place. Euh, il y a eu deux candidats qui ont été retenus euh, jusqu'aux élections. Après euh, les assises, en tout cas le colonel Pelé, comme les gens aiment le dire, a été élu, réélu à, par une voix, effectivement, contre 26. Mais c'est vraiment la transparence, la démocratie qui a régné. Les gens, en tout cas, ont fait leur choix ils ont préféré la continuité. voilà, donc on ne peut que s'en tenir en tant que euh, fédération. D'accord. Je le disais en introduction de ce forum, la plupart des fédérations sportives gisent dans une léthargie depuis un certain temps. Rares sont les fédérations qui font entendre de leur voix. Celles qui sont actives s'appuient sur les partenaires qui deviennent de plus en plus rares. Aujourd'hui, euh, les échanges doivent euh, permettre, dans le respect mutuel, euh, de dégager les problèmes, situer les responsabilités et envisager des perspectives nouvelles pour le sport nigérien. D'abord, Monsieur le Président, pourquoi une telle léthargie observée dans la marche de la plupart des fédérations sportives aujourd'hui Merci. La léthargie, elle est généralisée finalement parce que toute fédération aujourd'hui contient ou a à son sein un alphaga. Maintenant, il, va falloir mettre des mécanismes pour, en tout cas, détecter ce, jeune talent-là qui pourra, en tout cas, permettre au Niger de, se faire connaître. La léthargie est simple. Nous avons, toutes les fédérations ont une délégation de pouvoir du ministère de la Jeunesse et des Sports. Malheureusement, cette délégation de pouvoir n'est pas, accompagnée par les moyens euh, qui vont permettre en tout cas à la fédération de pouvoir euh, euh, suivre son cahier de charge. Aujourd'hui, euh, je pense que c'est vraiment toutes les fédérations qui vivent ce problème-là à 90%. Mhm. je, sais que tant que vous n'avez pas le financement de votre ministère de tutelle, il est quasi impossible de faire des activités. Surtout que nous connaissons comment ça se fait au Niger, même hein, un championnat national qui est une obligation à toutes les fédérations aujourd'hui, il faut regrouper en tout cas toutes les, délégations des régions, les héberger, les restaurer, les transports, tout ce qui suit. Et vous savez que tant qu'il n'y a pas d'accompagnement, il est quasi impossible à un président, en tout cas, de, faire un championnat national. Donc le problème, il est là. la léthargie est due seulement et uniquement au non-respect, euh, en tout cas, des engagements du ministère de la culture et de la jeunesse, et des sports. D'accord. Vous le disiez tantôt, dans chacune des fédérations, euh, il y a un alphaga. Euh, cela n'empêche de vous poser la question est-ce qu'il y a les potentialités pour une relève du sport nigérien Mais Je reviens toujours sur ma. Vous savez, alphaga si vous le connaissez, il est parti de nulle part. Alphaga a été suivi, en tout cas c'est quelqu'un qui a été déniché et qui a été suivi. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans chaque fédération, il y a des gens, des jeunes talents où le potentiel humain est là. C'est que si, vous si vous prenez eh, une discipline autre que taekwondo, Aujourd'hui, vous, ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de pépite, ou, bien en tout cas un élément qui peut représenter valablement le pays, s'il a en tout cas les chances que a eues. Donc, le problème, c'est AlphaGa a été déniché, détecté, suivi, et il fallait que ça soit de même avec les autres euh, euh, disciplines. Euh, à chaque fois, que le ministère demande les cahiers de charges ou bien le plan d'action, nous savons, nous participons à des compétitions. Nous savons que chaque fois, et vous êtes, euh, vous n'êtes pas sans le savoir que chaque fois que le Niger participe à une compétition internationale, il revient avec des médailles. Donc, ce n'est pas au Niger seulement que les médailles sont euh, attribuées, c'est des, des médailles qui sont allées chercher quelque part parmi d'autres pays, parmi d'autres athlètes. Ça veut dire que s'ils reviennent avec des médailles, pas, on ne donne pas euh, des médailles à l'extérieur comme ça. Ce pas des médailles de participation, c'est des médailles euh, de, de combat. Donc, c'est une façon de dire que ce n'est pas le, potentiel humain qui manque, ce n'est pas le potentiel technique qui manque. On a tout ça, chaque fédération a, vraiment un encadrement technique développé ou bien de haut niveau. Qui, peut permettre en tout cas de suivre et de, faire euh, d'un athlète vraiment un, un combattant ou en tout cas quelque chose qui peut Quelqu'un qui peut faire euh, rayonner ou, du moins euh, valoir une médaille à l'extérieur, c'est clair. Voilà, le, problème, c'est pas euh, vraiment, je, pas le, potentiel humain qui manque, mais c'est le suivi. La détection et là. Chaque fédération aujourd'hui peut te présenter un élément qui, si cet élément-là est bien suivi ou a les chances que a eues, on peut espérer quelque chose avec lui. Donc, c'est ça le. Alors, quelles sont les sources de financement de ces fédérations le, premier, les premiers, en tout cas, le premier partenaire des fédérations, c'est l'État du Niger, qui donne les délégations de pouvoir. Ça, il faut, il faut, il faut, euh, c'est clair, c'est irréversible. Maintenant, en dehors de l'État, effectivement, on peut avoir des sponsors. En dehors de l'État, on peut avoir des partenaires. Mais ces sponsors, malheureusement, je, euh, je, en ce que moi, je, je sais, c'est que ces sponsors sont soit débordés ou n'ont plus envie, en tout cas, de, soutenir le sport. Parce que nous avons vu, si vous ne connaissez pas aujourd'hui le partenaire ou le sponsor, en tout cas, quelle que soit votre euh, euh, démarche, ça ne va aboutir à rien. Donc, euh, c'est une façon de dire que ce n'est pas les partenaires ou les sponsors qui manquent, il y en a au Niger, mais ils sont débordés ou bien ils se sentent, parce qu'à chaque fois quand vous partez vers eux, ils vous disent, ils vous disent que nous, chaque matin que Dieu fait, on a des défauts, des lettres de demande de sponsoring. On ne sait même pas si eh, c'est vrai ou pas. Eh, donc, immédiatement, le dossier est rejeté. Apparemment, vous incombez toute la responsabilité au, ministère des Sports. Est-ce que ça veut dire que le ministère euh, ne vous donne aucune subvention tout au long de l'année Qu'est-ce qui se passe Non, mais c'est clair, c'est comme ça. Quelle que soit la fédération, en tout cas, à 90% vont vous dire que le ministère, malheureusement, ne, ne, joue pas son rôle dans, en ce qui concerne euh, le, financement du sport. Parce que si je prends ma fédération, moi, ça fait 4 ans, 4 années mhm. successives que je n'ai pas eu de, subvention du ministère. Donc, 4 années à rester, à, euh, en tout cas, les compétitions et autres euh, subventions de notre part, c'est quasi impossible. On va rester dans l'anonymat total. Donc euh, voilà le, le, problème qui se pose actuellement. D'accord, Président. Euh, je le disais donc euh, à l'instant que on attendait l'arrivée d'autres invités. Nous avons dans ce studio le représentant de la Fédération nigérienne de taekwondo. Maître, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous à nos auditeurs. je suis Sadiq Kousani Hamza, secrétaire en charge de la communication de la Fédération nigérienne de taekwondo. D'accord. Je le disais, on parle de la situation des fédérations sportives au Niger. Euh, l'une des questions que tout à l'heure on a posée au président de la fédération de tir à l'arc, c'est pourquoi une telle léthargie observée dans la marche de la plupart des fédérations sportives au Niger euh, Merci quand même euh, de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. vous savez, les fédérations vivent des, euh, des réalités vraiment différentes. Donc euh, peut-être euh, que moi, je ne peux que juger ce que nous, nous vivons, ah sans rentrer dans ce que les autres fédérations vivent, parce que uh-huh. peut-être on n'a pas le même mode de gestion. Ah Donc, vous voyez aujourd'hui le fonctionnement d'une fédération, une fédération nationale, requiert quand même l'appui constant et le suivi du ministère en charge de sport. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est d'une manière globale que toutes les fédérations s'inquiètent parce qu'il n'y a pas cet appui. S'il y a au moins cet appui du responsable en charge de sport, il peut y avoir des suivis et des contrôles. Donc, il peut ne pas y avoir de léthargie comme vous le dites, parce que moi, en tant que responsable, si je ne te soutiens pas, je ne peux pas quand même te superviser, pour me mener un contrôle sur toi. Donc je n'ai pas quand même ce droit. Nous avons des droits et des devoirs, de même que le ministère. C'est le droit, c'est le devoir du ministère d'appuyer les fédérations nationales. Hein? C'est un droit aussi des euh, de, de, de fédérations de rendre compte à ce ministère. Mais si le ministère même en tant que tel, en tant que premier responsable en charge du sport, uh-huh. n'a pas aidé ces fédérations ou n'a pas accompagné, le ministère ne peut pas demander de compte à rendre à ces fédérations. Donc, il peut effectivement y avoir de léthargie au, euh, niveau de la gestion de certaines fédérations. L'État n'a-t-il pas prévu des subventions annuelles aux fédérations à travers le ministère Qu'est-ce qui se passe En tout cas, ça là, en ce qui concerne notre fédération, je parle au nom de notre fédération, mm. nous, nous n'avons jamais eu ça au niveau de l'État depuis la création de la fédération. c'est un devoir du ministère de prendre en charge au moins l'assemblée générale élective d'une fédération sportive, le championnat national. Je dis bien championnat national d'une fédération sportive, mais quand même, en ce que je sache, au niveau de notre fédération, on n'a jamais eu ça au niveau du ministère de tutelle. C'est le cas aussi au niveau de la fédération de tir à l'arc ben, C'est ce que je venais de dire. Euh, moi, lui, il dit effectivement, il a même euh, peut-être omis qu'il y a les, participations aux championnats euh, nationaux, que ce soit régionaux, hein, sous-régionaux ou même internationaux. Mais le problème, c'est que c'est pas, comme il l'a dit, c'est vraiment la quasi-totalité des fédérations au Niger. L'État, comme je l'ai dit tantôt, donne délégation de pouvoir aux fédérations. Mais la délégation de pouvoir ne dit pas, ne suffit pas parce qu'il faut suivre. Il faut suivre ces fédérations-là, il faut les financer pour que ces, fédérations-là puissent suivre leur cahier de charge. Mais ça ne sert à rien de donner une délégation de pouvoir et puis se retirer dans son coin et puis demander un, résultat. C'est paradoxal quand même. Donc c'est le problème, comme je l'ai dit avant qu'ils ne viennent, c'est général. leur fédération aujourd'hui, c'est la référence au Niger. Si lui, il dit qu'ils n'ont jamais eu, ou du moins qu'ils n'ont pas eu de, subvention au, niveau de l'État et nous autres. Est-ce que les fédérations sportives aussi n'ont pas un problème de, lobbying non, pour avoir des partenaires Ce n'est pas un, problème de lobbying. Vous, mais vous savez, le lobbying, là, il faut un appui. Aujourd'hui, comme je l'ai dit euh, auparavant aussi, c'est que quand vous partez chez les partenaires, quel qu'en soit votre, euh, euh, le contenu de votre euh, lettre, ou programme. Aujourd'hui, ils vont vous carrément vous dire que, écoutez, soit retournez vers le, votre ministère de tutelle, où ils vous disent que nous, nous faisons partie du comité de, de, de de subvention ou d'aide au ministère, Ou ils vous disent carrément que nous sommes submergés par les demandes de sponsoring ou de partenariat nous-mêmes, on se cherche. Ça veut dire que c'est une façon de vous dire que, vraiment, on ne peut rien vous donner, on ne peut rien vous subventionner. Donc, retournez vers euh, votre euh, ministère de tutelle. Voilà. D'accord. moi, je pense que le problème, ce n'est même pas ça. En plus de ce qu'il a dit, c'est que le ministère de tutelle n'appuie même pas pour avoir même ses sponsors. Parce que quand tu pars chez les sponsors, il te faut retourner chez le ministère de tutelle. Au moins, avant d'aller, quand tu informes le ministère, le ministère doit t'appuyer. Si le ministère ne veut pas décaisser pour t'appuyer, au moins quand tu pars avec tes propres initiatives, chercher auprès des partenaires, le ministère doit t'appuyer. Mais même ça, on n'en a pas auprès du ministère. Même, une, note administrative d'appui euh, En tout cas, moi, je vous dis, hein, peut-être même de manière générale, toutes les fédérations, je crois bien, parce que apparemment c'est toutes les fédérations qui, en parlent. Hein. Donc, euh, le ministère, quand même, a l'obligation d'accompagner ces fédérations, si le ministère ne le fait pas, au moins le ministère doit chercher quand même des partenaires à ces fédérations. Ça, quand même, c'est encore un autre rôle du ministère. Maintenant, pourquoi ils ne le font pas Ça, vraiment, ils sont les seuls à pouvoir répondre à cette question. Tout retombe apparemment sur le ministère des Sports. Dommage que le représentant du ministère n'est pas, n'est pas encore là. Euh, ah, est-ce, ça veut dire que, exactement que le ministère ne joue pas à sa partition dans dans le soutien des fédérations. C'est en conclusion ce que ça veut dire. En conclusion, c'est ce que ça veut dire. Le ministère ne joue pas sa partition comme il le faut. Le ministère ne joue pas sa partition comme il le faut. Maintenant, qu'est-ce qui manque C'est le moyen qui manque. Ils ont l'obligation de nous le dire, si c'est le moyen qui manque. C'est quand même un État. C'est quand même un État. Donc, si c'est le moyen qui manque, au moins, le plus important, quand tu adresses une correspondance hein, au niveau du ministère, pour un besoin. S'il n'y a pas, on doit quand même au moins te répondre pour te dire que vraiment, pour cette fois-ci, on n'a pas, si même on ne peut pas accompagner à un tel pourcentage, vraiment quand même au moins qu'il y ait une communication. Mais tu adresses une correspondance, on te laisse avec ta correspondance sa réponse. Donc, euh, vous voyez, ça part à beaucoup d'interprétations. D'accord. Président, comment est-ce que vos athlètes font pour participer Comment est-ce que vous débrouillez pour, faire participer vos, athlètes aux compétitions sous-régionales, euh, internationales euh, moi, en tout cas, en ce qui concerne ma fédération, tout récemment, on a été en Côte d'Ivoire euh, au Grand Prix de, de Yamoussoukro. Nous avons, en tout cas, nous nous sommes déboulés à faire représenter le Niger, l'équipe nationale du Niger à, à ce tournoi. Donc, nous sommes revenus avec des médailles on a pu faire déplacer sur fond propre deux athlètes jusqu'en Côte d'Ivoire, en tout cas tout frais compris. Ils, ont, ils sont revenus au Niger, ils ont eu six médailles, ce qui n'est pas euh, euh, à la portée de, n'importe qui parce que c'est pas seulement. Euh, ils, sont, ils sont allés trouver d'autres pays. Donc c'est un championnat vraiment sous-régional. Ils sont revenus avec des médailles, mais c'est sur fond propre. Le ministère ne nous a pas aidés. On ne peut pas seulement, on s'était dit qu'on ne peut pas rester et à ne pas se déplacer parce que là, ça décourage même les athlètes en tant que tels. Donc c'est pour ça que nous nous sommes débrouillés. certes, le comité olympique nous a appuyés, mais c'est quand même l'équipe nationale du Niger qui s'est déplacée. Donc, euh, les autres pays, en tout cas, qui ont été appuyés, on a vu qu'ils étaient à une, une bonne dizaine à participer au championnat. Vous voyez, si nous, on était partis avec 10 personnes, c'est pas avec 6 médailles que nous allons revenir, retourner au pays, ça serait sûrement un peu plus. Mais de, tout le temps, moi, je sais que la dernière fois que nous avons été appuyés par l'État du Niger, c'est en 2013. Donc vous voyez, de 2013 à aujourd'hui, chaque année que Dieu fait, le tournoi sous-régional est organisé dans un pays. Aujourd'hui, euh, normalement, c'est en Guinée équatoriale cette année, en août plus précisément, nous avons adressé une lettre au ministère depuis février. Et c'est ce qu'il vient de vous dire. De février à aujourd'hui, après plusieurs lettres de relance, nous n'avons jamais eu une réponse du ministère. Aujourd'hui, nous sommes dans le doute. Est-ce que le Niger va participer Est-ce que le Niger ne va pas participer En tout cas, nous n'avons aucune réponse du ministère. Donc, euh, jusqu'à preuve de contraire, les jeunes sont en train de s'entraîner pour ne pas être surpris. Mais nous n'avons pas de réponse du ministère, donc nous sommes dans le noir, le flou total. D'accord. La Fédération nigérienne de taekwondo, comment est-ce que, face à ce problème, comment est-ce que vous faites pour faire participer vos, vos, vos athlètes aux compétitions internationales En tout cas, nous, à notre niveau, Dieu merci, nous, à chaque, chaque compétition, nous nous débrouillons pour participer parce que nous avons et une condition au niveau de la Fédération mondiale, quand tu ne participes pas à une, deux compétitions organisées par la Fédération mondiale de taekwondo, tu perds ton droit de vote. Donc la fédération, les responsables de la fédération s'arrangent toujours pour avoir au moins une participation. On n'a jamais manqué quand même. Et si on sort hors de nos frontières, on n'est jamais revenu sans résultat. Ça, de tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Dernier dernière en date, vous voyez, c'était le mois passé, on a participé au championnat du monde de taekwondo avec un record. C'est la première fois que le Niger a présenté plus d'un combattant. J'ai dit bien plus d'un combattant, parce que nous avons classé six combattants. Mais pour cette compétition, pour cette participation, le ministère a, fait un effort ou bien pour, cette, pour la participation au championnat du monde de taekwondo, nous, on n'a eu encore jusqu'à présent aucune réponse du ministère pour l'instant on n'a eu aucune contribution du ministère. Mais quand même, nous continuons à l'attendre. Hein. parce que si le ministère n'a pas fait, peut-être pour l'autre, pour les compétitions à venir, le ministère va faire. Mais quand même, pour la compétition de Corée, le ministère n'a rien fait pour le taekwondo. Ça, mais, je l'ai dit. Mais comment est-ce que euh, l'opinion ne, vous comprendrait pas le ministère ne vous appuie pas, mais à chaque fois que les athlètes reviennent avec euh, des médailles, c'est le ministère qui les accueille en grande pompe. Oui, nous, nous sommes là pour créer pour l'État. On crée, même si l'État ne nous appuie pas en allant. On fait tout pour créer pour l'État, parce que c'est ce que l'État veut, c'est le résultat. On va essayer, parce que la chance que nous avons, nos athlètes ne mettent pas de l'argent dans leur tête. Écoutez, regardez, pour toutes nos sorties, hein, on ne prévoit même pas de perdièmes pour les, pour les athlètes. Sans perdièmes, ils partent pour compétir, revenir. On fait tout pour avoir les billets d'avion, la restauration, l'hébergement là-bas. On ne parle même pas des perdièmes. Voilà pourquoi on n'amène jamais une équipe complète quand il s'agit de traverser les frontières. Parce qu'on n'a pas ces moyens. Tant qu'on n'a pas l'appui de l'État, on ne peut pas le faire. Vous voyez, aujourd'hui, dans la sous-région, le Niger est craint sur le plan taekwondo. Et malheureusement, dans une compétition où il faut aligner 16 catégories, voilà, la dernière fois, c'est 16 catégories. Mais nous, c'est à peine on a pu amener 6 sur 16. C'est à peine on a pu amener 6. Donc vous voyez, et tout c'est la délégation, personne n'attend de perdre. Personne n'attend. Parce que là, ils font ça vraiment, c'est par amour, ils font l'art, ils pratiquent l'art. Donc vous voyez, avec le moyen de voir, on se débrouille. Maintenant, comment les responsables de la fédération se débrouillent pour aller avec les partenaires, ils cherchent d'autres partenaires et autres. Donc, et ça, ils sont laissés à leur effort pour le faire. Donc, vous voyez, malheureusement, c'est ce que nous vivons. Et on espère que ça va changer. Hein ah <laughs> D'accord. <laughs> Euh, on espère euh, parce qu'il y a eu une évolution euh, tout récemment. il y a eu un séminaire, en tout cas sur la recherche de financement. Ah on a eu, on a, on a participé, on a fait des recommandations. Espérons que ça ne serait pas comme les autres parce que chaque fois que nous faisons quelque chose, après, c'est l'être mort. D'accord. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Comment relever les défis pour la renaissance de toutes les disciplines sportives présentes aujourd'hui au Niger c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, le, sport est devenu financier. Quand vous financez dans le sport, il faut vous attendre à quelque chose. Relever le défi, c'est quoi C'est mettre les moyens euh, euh, devant toutes les fédérations et puis leur réclamer quelque chose. C'est comme ça ça se fait. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, si, vous voyez que le sport prospère, c'est qu'il y a un suivi qui est là. Donc vraiment, ce n'est pas, pas génial, ce n'est pas diabolique. Si réellement vous mettez les moyens qu'il faut, en tout cas devant, euh, euh, euh, auprès de toutes ces fédérations-là, il faut vous attendre à, un, soulèvement au niveau de toutes les disciplines comme je vous ai dit, c'est pas le potentiel qui manque au Niger. AlphaGa, aujourd'hui, qui connaît AlphaGa avant D'ailleurs, euh, vous, en tant que journaliste, je pense que dix ans euh, en arrière, vous ne connaissez pas AlphaGa. Donc, c'est un jeune homme qui a été suivi, qui a été détecté, suivi, et qui fait le bonheur du Niger. Aujourd'hui, je vous dis, en dehors du taekwondo, si vous prenez une, une fédération quelconque, vous leur demandez de vous faire sortir un talent Aujourd'hui, si on met les moyens euh, euh, euh, pour suivre ce talent-là, en tout cas, il, pourra représenter le Niger valablement ah, dans, des championnats et, dans des compétitions internationales. Et dans tout cela, que font les sociétés d'État Ils n'appuient pas les fédérations Qu'est-ce qui se passe aussi Les sociétés d'État sont regroupées dans un comité. Ce comité-là, aujourd'hui, vous n'avez pas, aucune fédération n'a le droit d'aller directement vers ce, comité de gestion, de, subvention. Voilà. Parce que tout simplement, le contrat qu'il y a entre le comité et l'État, c'est qu'à chaque fois quand l'État a besoin de quelque chose, l'État va vers ce, comité-là qui regroupe un certain nombre d'entreprises. Ce comité reverse l'argent à l'État qui maintenant euh, euh, essaye de, de, de, voir en fonction du budget qu'ils ont eu, euh, l'État a eu auprès de, de ce comité, si ce budget-là peut euh, suffire pour faire en tout cas le, déplacement ou la compétition, euh, le programme en tout cas mentionné. Donc c'est le, le, le, personne n'a le droit d'aller individuellement parce qu'il y a une lettre qui est tombée du ministère, ça fait quelques deux ans je pense, qui nous a notifié que aucune fédération n'a le droit d'aller vers ce comité, aucune fédération n'a le droit d'aller vers la primature ou la présidence. Alors que votre ministère, votre partenaire habituel est là, si vous partez, vous n'avez rien. Donc, on vous lit on vous met des entraves au niveau des pieds qui peuvent vous empêcher aujourd'hui d'aller chercher ailleurs. Ailleurs, c'est les, les, trucs officiels. Hein, je ne parle pas de, parents. D'accord. Sani, un, petit mot sur comment relever ce, défi. Moi, je pense que comment relever ce défi, c'est simple. Hein? L'État doit être regardant. L'État doit accompagner et superviser. Point et le défi est relevé. Voilà, il nous reste encore 15 euh, minutes euh, pour euh, terminer donc ce, forum du studio Kalangu. On revient avec vous, Président. Vous, vous disiez tantôt que personne n'a le droit d'être justement d'aller vers ces sociétés d'État. Et également, on ne peut pas aller à la présidence, à la primature. Est-ce que cela est juste Bon, juste, je ne sais pas comment il faut juger ça parce que euh, en son temps, quand euh, la lettre était tombée, il y avait des fédérations qui ont mis en avant les relations et qui sont parvenues à avoir des subventions au niveau, par exemple, de la primature. Euh, j'étais le nom, les noms de ces fédérations-là, mais je pense que le ministère s'est senti contourné. Donc, ils ont écrit une lettre pour notifier aux fédérations que voilà, donc ils ont constaté qu'il y a des fédérations qui vont euh, au-delà de leurs prérogatives, c'est-à-dire euh, qui sont allés, euh, en train d'aller au ministère ou à la présidence demander des, subventions. En tout cas, le, ministre en son temps n'était pas content. Donc, cette fameuse lettre-là est tombée et les gens, euh, nonobstant tout ça, là, je pense que comme on voit que le ministère ne, fait pas, ne joue pas ce rôle-là de, financement, les gens sont obligés d'outrepasser cette lettre-là et puis aller demander. Parce que moi, si je sais que j'aurai un financement à, au studio Kalangu, aujourd'hui, quelle que soit la lettre, je viendrai. vraiment, je contournerai cette lettre-là et puis aller venir. Parce que le problème qui se pose, quand une fédération ne fait pas d'activité, aujourd'hui, les premières personnes à critiquer, c'est vous les journalistes. Bien sûr. voilà, vous nous dites chaque fois que les fédérations ne font rien, certains présidents de fédérations sont là, ils ne font rien, alors qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire. Mais si je prends par exemple le cas du tir à l'arc, moi aujourd'hui, depuis 2008, la création de la fédération, nous n'avons jamais, jamais eu de subvention en matériel de l'État. Et vous savez, je vais vous donner une, idée de, ce que coûte un arc standard d'entraînement. D'abord, on ne trouve pas ce matériel-là au Niger, on n'en trouve pas en Afrique, il faut tout le temps en Europe. Un seul arc d'entraînement coûte entre 250 à 300 000. Et vous voyez comment le Niger là est vaste. Même si c'est Niamey seulement, si on doit couvrir Niamey seulement, c'est moins d'une centaine d'arcs. Aujourd'hui, comment voulez-vous que moi, quel que soit l'amour que j'ai de, cette discipline-là, ah comment est-ce que je pourrais acheter plus de 100 arcs aujourd'hui pour dire qu'il eh, faut que cette discipline-là, en tout cas, soit pratiquée partout Donc voilà le problème qui se pose. Ce n'est pas, pas grand-chose. Moi, j'ai utilisé mes relations au niveau de la Fédération mondiale pour avoir le matériel qu'on a aujourd'hui. En 2014, j'en ai eu. En 2016, je fais le forcing, j'en ai eu. Donc, vous voyez, mais ça ne suffit pas ça ne suffit même pas à pour Niamey, à plus forte raison les autres régions. Aujourd'hui, je suis arrivé seulement à doter quelques régions, mais il en reste encore. Donc vraiment, euh, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Partout, euh, c'est l'État qui finance le matériel. Il met à disposition le matériel pour la bonne pratique de, la discipline. si vous prenez, bien que le, le représentant du taekwondo est là, si vous prenez un kimono ou un dojo, comment vous l'appelez, aujourd'hui euh, de compétition internationale, vous savez combien ça coûte Mais c'est pratiquement le million, sinon plus. Donc vous voyez le, problème qui se pose. Vraiment, tout ça là tourne autour du ministère, euh, au financement du sport. D'accord. Sani, est-ce que c'est justement euh, c'est ce, qu'on a fait au niveau des sociétés d'État, c'est ce que aussi le ministère de, des sports veut faire également pour les sociétés privées quand on se souvient un peu de ce qui s'est passé avec votre sponsor euh, partenaire officiel privé. Bon, vous voyez, moi, le comité des, des entreprises ou quoi il l'appelle là, je ne sais même pas quand est-ce qu'on a mis ce comité en place. Nous, de toutes les façons, on n'a jamais eu un COPEC d'une entreprise nationale ou publique que vous, vous dites. Dieu merci, la dernière fois, c'est une entreprise, une société privée qui nous a aidés, Niger je l'ai dit. Sans l'appui de cette société, on n'allait pas participer à ce championnat du monde. Et c'est que les gens ne comprennent pas. Ce championnat du monde-là. Vous voyez, par exemple, eh, on a eu un médaillé euh, en l'occurrence Al Alfaga, lui, il a été pris en charge entièrement par le président de la République. Lui, Al Alfaga. Parmi les six combattants, c'est lui seul qui a été pris en charge par le président de la République. Alors que nous, au niveau de la fédération, la compétition à laquelle il a participé, si la fédération ne l'inscrit pas, il ne, peut pas, compétir. Et seul le président de la fédération a la faculté d'inscrire un combattant. Et le président a inscrit six combattants. On a fait un mémo un document adressé au ministère. Des Oui, au ministère des Sports, avec un budget. Voilà les combattants que nous avons inscrits dans Alphaga. Parce que c'est Alphaga que les gens connaissent. Alphaga est connu à partir de 2015-2016. Alors qu'Alphaga, nous avons commencé à le préparer à partir de ce résultat de 2012. Sa première, sa première grande médaille, c'était au championnat du monde, et euh, Coupe du monde francophone, où il a été médaillé d'argent. Après ça, il a été médaille, il a été euh, au championnat d'Afrique. Ensuite, euh, il a eu la médaille d'or euh, aux Jeux africains. C'est à ce temps-là que les gens ont commencé à le voir. Mais toutes ces préparations-là, on ne sait pas comment la fédération s'est pour le faire. Même le déplacement et autres, c'est hors de nos frontières. Et tout ça, c'est pas l'État, hein c'est pas l'État. Donc maintenant, quand il est qualifié aux Jeux Olympiques, il a eu l'appui. C'est, et la prise en charge, d'ailleurs, c'est après les Jeux Olympiques. Hein. C'est après les Jeux Olympiques qu'on a commencé à le prendre en charge. Donc maintenant, Dieu merci, lui, il continue à bénéficier de ça. Euh, donc on espère que les autres combattants ainsi vont bénéficier de cet appui de l'État. Parce que moi, je pense que l'État doit faire la promotion de compétences. Elle doit vraiment faire la promotion de compétences. Parce que vous faites des choses pour le pays vous vous débrouillez pour amener des résultats, quand même l'État doit vous accompagner. Vous vous débrouillez même pour simple présentation, représenter même l'État hein, parmi des grandes nations. Vous devez quand même avoir un soutien. Même si avant la compétition, même si vous n'amenez pas de résultats, c'est un devoir de l'État. La présentation, au moins, on va appeler le nom, du pays, le nom du Niger. On va dire à ah, une telle compétition, un tel combattant, on va dire ton pays, on va dire Niger. Même si tu compétis sans résultat là, au moins le nom du Niger, est sorti là-bas. D'accord. Et quels sont vos rapports avec le COSNI Le COSNI, c'est l'instance suprême qui regroupe les fédérations. Les, fédérations olympiques et même les fédérations non olympiques. Aujourd'hui, il y a la synergie entre les fédérations. Parce que même la dernière fois, le COSNI a organisé son assemblée générale où tous les présidents des fédérations étaient présents. Et là-bas, ils font des entretiens entre eux pour chacun décline les difficultés qu'il a, quels sont les problèmes avec le ministère. Et le COSINI aide souvent. Parce que nous, même au championnat du monde, là, le COSINI nous a aidés. Hein. Le dernier championnat. Le dernier championnat du monde. Le COSINI nous a aidés. Le COSINI, a donné sa contribution pour qu'on puisse participer. En dehors du Niger, Il n'y a que Nigerlais et COSINI qui nous ont aidés. le reste, le président de la fédération s'est débrouillé. Donc, euh, pour qu'on soit vraiment un peu à l'aise avec euh, <laughs> une délégation de 10 personnes en Corée, jusqu'en Corée du Sud. Ce n'est pas facile. Vous voyez même le billet d'avion. Mm, d'accord. Mm. Président, de votre côté, vos rapports avec euh, le COSNI En tout cas, nos rapports, euh, nos relations sont bonnes. Et d'ailleurs, moi, je pense que les relations fédération-COSNI, je peux me jeter à l'eau. Vraiment, les relations sont bonnes parce que le, le COSNI, comme il l'a dit, c'est l'instance fêtière. Ah, le COSINI n'a pas vocation de, financer le sport parce qu'il ne permet pas. Mais le COSINI aujourd'hui, chaque fédération qui se déplace, je sais que le COSINI intervient pour en tout cas euh, donner sa contribution et pour encourager les fédérations à aller chercher des médailles ou à aller compétir. Parce que c'est une visibilité et comme il y a un problème de l'autre côté, le Cossini, en tout cas, à travers les, petits moyens qu'ils ont, en tout cas, ils arrivent à, aider les fédérations. Et moi, en ce qui concerne ma fédération, je n'ai aucun problème avec le comité olympique. À chaque fois que nous nous déplaçons, à chaque fois que nous organisons euh, un stage, en tout cas, ou une compétition, nous demandons l'aide du Cossini et effectivement, le COSENI nous aide, nous appuie, euh, euh, ne serait-ce que pour, euh, pouvoir en tout cas fermer d'autres. faire d'autres dépenses. En tout cas, le COSINI, nos relations avec le comité olympique, on n'a pas de problème. D'accord, Président, parlons de, l'agenda des, prochaines compétitions, surtout internationales, avec les Jeux de la francophonie d'Abidjan. Comment est-ce que vous, voulez les préparez Bon, les jeux de la francophonie, nous, notre discipline ne fait pas partie des jeux de la francophonie. Aujourd'hui, je sais que même les disciplines qui doivent participer à ce jour sont encore au Niger. donc, euh, je ne sais pas si le taekwondo fait partie. Jeux de la francophonie, le taekwondo ne fait pas partie aussi. Donc, en tout cas, je ne peux rien vous dire en ce qui concerne aujourd'hui les préparatifs de. D'accord. Vous avez quand même des, compétitions en vue. Oui, nous, oui. je, venais de vous dire que on doit aller normalement en Guinée équatoriale. Ah euh, pour une compétition qui s'appelle, un, un, tournoi qui s'appelle Tizokata. Cette compétition regroupe les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, le Niger a eu organisé ça en 2013. Et de 2013 à aujourd'hui, le Niger n'a jamais participé à, ce tournoi-là, par manque de financement. Nous sommes euh, pratiquement le pays phare parce que euh, quand nous. Moi, j'ai commencé, nous, nous avons commencé à participer en 2011. 2011, 2012, 2013, à chaque fois, le Niger revient avec des médaillés. Et cela a fait que au niveau de la Fédération mondiale, en tout cas, nous avons une place là-bas. Et c'est ce qui fait que chaque fois que nous demandons quelque chose, en tout cas, la Fédération mondiale nous aide. Mais cette année, voilà, de 2013 à 2017, là, nous sommes toujours en train de rester dans notre coin, en train de regarder ce qui se passe, dans, en tout cas au niveau des pays organisateurs. Donc vraiment, c'est lamentable, c'est regrettable la, dernière fois, nous avons été recalés pour les Jeux olympiques, là, parce que tout simplement, la Fédération mondiale nous a euh, signifié que ça fait déjà deux ou trois ans que nous n'avons pas participé à, à, cette compétition qui est reconnue par la Fédération mondiale. D'accord. Sani, vos prochaines compétitions ah, Nous, dans un mois même, on a un grand tournoi, une grande compétition Open internationale qui va s'organiser sous la supervision de la Fédération mondiale à Accra. Et en décembre de cette année aussi, nous aurons cette fois-ci le championnat du monde par équipe. Ce qu'on a fait en Corée, c'est individuel. Et maintenant, en décembre, ça sera par équipe. D'accord. Euh, un, dernier mot Un dernier mot, nous, toujours notre souhait, hein, il faut vraiment que l'État soit regardant envers euh, ses fils qui se sacrifient hein, pour euh, ICO, les couleurs du pays, Hein? Parce que c'est un sacrifice qu'ils sont en train de faire. Moi, le dernier mot que j'ai vraiment, que les gens continuent les sacrifices, mais vraiment l'État doit rester encore, doit continuer à être regard, doit être, disons, pas continuer, doit être regardant envers ses fils qui se sacrifient pour, pour sortir le nom de ce pays. Président Oui, je, pense que c'est la même chose. Hein. Il faut que tout le monde joue son rôle, que l'État s'assume et que nos fédérations, en tout cas, s'assume euh, aussi. Donc en réalité, tout tourne autour du financement. Si aujourd'hui l'État change de physique de pôle, je pense que ça serait bénéfique pour le monde sportif. S'il y a un message pour le président en personne, le président de la République Bon, euh, le, président de la République, <laughs> nous, le message, c'est qu'il soit, en tout cas, qu'il nous aide, que ce soit à travers sa personnalité ou, en tout cas, qu'on essaye d'augmenter la cagnotte du ministère de, euh, notre ministère de tutelle pour que, en tout cas, toutes les fédérations aient de quoi euh, organiser leur championnat ou leur euh, activité. Voilà. Donc, euh, nous sommes au terme donc de ce forum. Il faut retenir que pour une renaissance de toutes les disciplines sportives présentes au Niger, il faut un financement, un accompagnement de l'État. Nous avons reçu dans ce studio M. Soumela Amadou, il est président de la Fédération nigérienne de tir à l'arc, et M. Sani Hamza, secrétaire à la communication de la Fédération nigérienne de taekwondo. Merci d'avoir accepté d'être les invités de ce forum. Rendez-vous vous demain dans un autre forum à partir de 18h15.